jeudi 11 janvier 2024. Il vient d'être 11h à Niamey et partout au Niger. L'heure de notre émission Le Niger, c'est Kalango. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. À la présentation de ce jour, c'est Rabia Mekano et moi-même Habiba Ahmed. Bonjour Rabi, en forme ce matin Alhamdulillah Habiba, je vais bien. Alors c'est quoi le menu d'aujourd'hui Dans les programmes de ce jeudi, il y a les flèches d'information, la rubrique hebdomadaire consacrée à l'éducation numérique, les chroniques Loti et sport suivies de la culture linguistique. Nous recevrons dans cette édition M. Al-Husseini spécialiste en diplomatie culturelle, principalement la culture nomade touareg. Nos échanges tourneront autour de sa magnifique tente, bien décorée sous laquelle il reçoit ses invités. Les Niger sur c'est aussi de la musique nigérienne, toujours confondue. Installez-vous confortablement pour savourer ce précieux moment. Chers auditeurs, je vous propose le flash d'information avec Rafika Attaher. Bonjour Rafika. Bonjour Rabi, comment vous allez Ça va bien. Rafika. Quelles sont les nouvelles ce matin Alors pour ce matin, l'Union des comités de suivi des instituteurs et stagiaires de la nouvelle réforme entame un arrêt de travail de 48 heures à compter de ce jour. L'annonce a été publiée hier dans un communiqué. Il revendique plusieurs points dans la situation des instituteurs de maladie qui accumulent six mois d'arriérés de salaire. Ils évoque également les conditions précaires et inédites dans lesquelles se trouvent les instituteurs de la nouvelle réforme. Ensuite, l'ancien ministre d'État en charge de l'énergie, Ibrahim Yakoubou, croupit à la prison civile de Wallam depuis mardi. Selon le journal La ligne Actu Niger, le tribunal militaire a ordonné son incarcération après une audition express. Rappelons que Ibrahim Yakoubou est rentré au Niger jeudi dernier. Les services de sécurité l'ont aussitôt interpellé puis déposé à la maison d'arrêt de Niamey. Les agents exécutés, le mandat émis à son compte pour complot et trahison contre l'État. Ibrahim Yacoubou vivait en exil depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. Et enfin, la 13e édition de la foire des maraîchers de la région d'Agadez a débuté hier après-midi à la place Toumo de Niamey. Des produits maraîchers sont exposés au niveau des différents stands érigés. On y retrouve également les produits agro alimentaire transformé. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel Mohamed El Ousman Ousmane, a annoncé que le président du conseil de ville de Niamey va mettre à leur disposition 5 hectares et prendre les dispositions aussi pour que cet espace soit aménagé. Voilà pour le flash de ce matin. Merci, Rafika, pour tout pour toutes ces informations. Dans quelques instants, nous parlerons de la culture, notamment nomade. Et nous sommes avec un ambassadeur de la culture à la personne de Messieurs Al-Husseini Si ce nom vous est familier, c'est normal. Dans tous les événements culturels au Niger et dans le reste du monde, le Niger est présent à travers ce monsieur que nous avons le plaisir de recevoir au studio. Bonjour, monsieur Aksheho. Bonjour. N'est-ce pas votre première fois au studio Kalangu Je pense que c'est déjà une deuxième fois. Je suis passé ici euh, pour une histoire de, la valorisation euh, et de la consommation des produits euh, locaux. Et c'était une très belle émission que j'avais faite dans le même cadre avec des femmes, surtout, qui étaient des femmes transformatrices. Et je pense que j'étais là en tant qu'homme transformateur, moi aussi. <laughs> ok, merci de nous honorer de votre présence dans cette émission, Habiba. Nous allons à musique avec une chanson de feu Moussa Poussi avant de rentrer dans les vifs de notre sujet. C'est parti. Sobo. Nino Nimo Katisor Massorga go keheniga Kero niza follow si go kehen Mabai honda hawi ya goro hawi no Borsi chaptanga folo kan go ni si deji Abanda Abanna banno hasine na koy kabiga tenoni Sorkin heni yani heni chante et glorifie les génies de l'eau. Dédicace aux Soko, les maîtres des eaux, qui nous écoutent en ce moment. Ils détiennent les secrets des eaux, notamment du fleuve. Je sais pas pour la mer, hein, mais le fleuve, quand même, je sais. <laughs> Pour revenir à l'artiste Moussa Poussi et Sanil doute l'une des plus grandes voix de la musique nigérienne, il a valablement représenté notre pays pendant plus de 20 ans. Il reprenait les rythmes traditionnels qu'il adaptait a au son des instruments modernes, une revisite qui crée ainsi une musique nouvelle en accord avec la culture nigérienne. Son but était de faire connaître sa musique et son pays à l'Occident. Il a bien réussi avant de tirer sa révérence. En effet, les 3 juin 2008, le Niger a perdu un grand homme de la culture. Moussa Poussi laisse derrière lui un riche et immense patrimoine musical. Une de ses filles, Rekia, lui emboîta le pas. Elle s'est également faite une renommée dans un style différent, c'est vrai, le dandali soyeya. C'était Taureau de Feu Moussapoussi, cher auditeur, en espérant que vous avez aimé euh, cette sélection. Retour au studio avec notre invité du jour, qui est Al-Husseini Monsieur Al-Husseini très modestement, moi c'est M. Al-Hussein ambassadeur de la culture et PhD en diplomatie culturelle. Je suis président directeur général de Nomade Artisanat et Culture, une euh, structure euh, à la base qui, euh, qui est créée pour mettre en valeur, pour être le flambeau, le porte-flambeau de la culture nigérienne et au-delà de la culture, des cultures africaines. Ok. Et nous voudrions bien savoir que euh, nous savons, nous savons que vous êtes artisan, mais nous ne connaissons pas vos motivations. D'où vient cette inspiration Alors, dites-nous tout. Nous savons que vous êtes artisan. Effectivement, je suis un artisan. Mais au-delà, je suis un artisan de souche. Je suis une émanation d'une composante sociale de la communauté touareg qu'on appelle les Inadan, qui sont les concepteurs, les créateurs, les artisans, les diplomates les médiateurs, les, la, presse. Euh, donc l'artisanat, pour moi, être artisan, c'est, j'ose le dire, c'est génétique chez moi. Je suis fils mm. d'artisan, je suis d'une quatrième, cinquième, sixième, au-delà, génération de cette composante sociale-là et qu'on appelle les inadans dans la communauté euh, touareg, qui, comme j'ai dit, sont les gardiens des traditions, les gardiens des valeurs, les gardiens de l'artisanat, les gardiens de la productivité, les gardiens de la beauté, les gardiens de la diplomatie, les gardiens du protocole, les gardiens de tout ce que vous pouvez imaginer comme valeur ouais. de la société touareg. Est-ce que vous promouvez uniquement la culture nomade touareg ou toute celle nigérienne en général En fait, euh, c'est philosophique. Moi, pour moi, Promouvoir la culture du Niger. c'est promouvoir la culture du Niger. Promouvoir la culture Hausa, c'est promouvoir le Niger. Promouvoir la culture Zarma, c'est promouvoir toutes euh, les souches euh, sociales euh, du Niger sont indivisibles. Quand je suis en tenue Touareg, à Bruxelles, quand je suis en tenue Touareg, à Amsterdam, quand je suis en tenue Touareg, à Istanbul, on voit à moi un Niger. On voit à moi le Niger. On voit à moi ces pays, ces, de, ces valeurs unitaires. On voit à moi le Niger tout entier, toutes les cultures. J'ai fait la promotion de toutes ces cultures, en réalité. Quand vous venez à dans ma galerie, vous allez trouver un chapeau Peul, vous allez trouver un terra-terra, vous allez trouver une calebasse... Ah, c'est euh, euh, de euh, Gingimi, vous allez trouver une tente arabe, vous allez trouver tout ce que vous pouvez imaginer comme étant l'unité de ces pays, et l'union de ces pays, le Niger. Justement, parlant de tente, parce que ce qu'on reconnaît, tout ce qui frappe, c'est justement cette tente. D'où vous est venue l'idée de cette tente, toutes ces commodités, toilettes, décorations, couchettes, et même le thé que j'ai eu euh, l'opportunité de déguster. Je pense que j'ai répondu à cette question. Je vous dis, c'est une, c'est une, euh, c'est comme on dit, les grands plats dans les petits plats. La tente pour moi, c'est moi. Moi, c'est la tente. La tente, c'est moi. La culture, c'est moi. Moi, c'est la culture. L'artisanat, c'est moi. Moi, c'est l'artisanat. La tente, c'est un, c'est une, euh, je peux dire, euh, civilisation. La tente, ce n'est pas les cuir que vous voyez là seulement. Au-delà du fait que c'est du cuir, madame, la tente, c'est 5000 ans avant Jésus-Christ. La tente, c'est l'Afrique. La c'est le lieu où se pratique l'infusion et la diffusion de la sagesse. Sous la tente, on rentre avec la paix, on sort avec la paix. Et l'été dont vous parlez, c'est une histoire. L'été dans les communautés nomades, dans les communautés touareg et au-delà, dans toutes les communautés africaines, l'été, c'est pas du sucre, de la menthe ou du thé, tout simplement, mais une valeur, une valeur de sagesse, une valeur de partage. En vous donnant un verre de thé, le message qui passe, c'est qu'on vous donne l'hospitalité nigérienne, on vous donne l'amour, on vous donne l'unité. On vous fait savoir que vous êtes pas bienvenu sous la tente seulement, mais bienvenue dans le cœur. vous êtes important et vous comptez. Et comment se passent vos échanges avec vos invités Le message passe Je pense que euh, meilleur, euh, la meilleure personne qui a compris mes messages, c'était un journaliste de la plus grande chaîne égyptienne Asher en Égypte qui fait un commentaire qui dit l'avantage de ce monsieur ou la, la, la, force de ce monsieur, c'est que quand vous êtes avec lui, vous avez l'impression que vous le connaissez il y a dix ans. Eh bien, qu'est-ce qui se passe Le message qui passe sous la tente, c'est le message qui passe le mieux dans le monde, qui est celui de l'humanité, qui est celui de la cohésion, qui est celui de l'unité, qui est celui de partage, qui est celui de du fait que sous la tente, vous devenez un être humain. Vous oubliez votre statut qui vous fait de vous un demi-dieu. Parce que vous êtes, parce que sous cette tente-là, j'avoue que j'ai fait asseoir des personnalités de ce monde que vous ne pouvez pas imaginer et des personnalités qui ont eu du plaisir, qui ont eu, qui ont senti le fait d'être des êtres humains, au-delà de l'argent, au-delà du matériel, ils ont senti qu'ils sont des êtres humains qui doivent avoir le même objectif qui est celui de la paix, la quiétude, l'unité et toutes ces valeurs humaines. La paix, la paix euh, qui vous tient vraiment à cœur. Justement, justement. C'est ça, c'est ça le, c'est ça le, l'objectif, justement. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas la création, ce n'est pas l'artisanat, ce n'est pas les bagues, ce n'est pas les bijoux, mais au-delà, on fait une une immersion, on fait une, conjonction, on fait un, mariage très compatible entre la productivité, l'artisanat, la création, la créativité et l'autonomie. Et ensuite, la paix. Aujourd'hui, c'est indéniable, vous êtes considéré comme un ambassadeur de la culture. Comment choisissez-vous les événements auxquels vous participez Et vous participez à des événements partout dans le monde. Comment ça se passe en fait, euh, voilà ce qui se passe. Nous constituons, je me rappelle, euh, je me rappelle dans un grand événement où il y avait 80 000 invités. Euh, sous le stand de la place du Niger, je pense que ça se passe en Égypte en réalité, à Sharm à la COP 27, où 80 000 personnes étaient là. Mais l'attraction, l'attraction du Niger par rapport à la présence d'Al-Hussein Cheikhou était inestimable. Il a fallu, on a vu des moments où, quand vous vous perdez, vous dites tout simplement le stand du Niger, le stand de la paix, le stand de l'unité, et vous vous retrouvez. Donc, euh, euh, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans cette aventure Que du bonheur, madame les, mes, mes, souvenirs en termes euh, qui ont qui m'ont marqué, qui ont fait de moi euh, sans, sans complaisance l'homme le plus fier. C'était justement quand je fais un événement, quand je participe à un événement où à Addis Abeba en 2019, où je mhm. j'ai reçu sous la tente une délégation palestinienne et une délégation israélienne qui sont assis sous la tente et qui ont parlé paix, qui ont parlé thé, qui ont parlé amour, où j'ai reçu une délégation des affaires étrangères de l'Algérie, du Maroc et du Sahara occidental et qui ont passé des moments avec moi en parlant paix, en parlant amour, en parlant la même langue, en oubliant en oubliant carrément. Qu'ils ne veulent pas euh, rester dans Ils peuvent pas rester dans la même pièce. Dans l'hémicycle, ils ne peuvent pas rentrer dans l'hémicycle ensemble. Si le Maroc rentre, le Sahara occidental sort. Mais sous la tente, ils sont rentrés parce que la tente incarne la paix, l'attente tente incarne l'amour, la incarne l'humanité et l'humanité au-delà euh, de tout. Ce qui m'a marqué, c'est quand je m'assois sous l'attente avec Cheikh, euh, avec le Majlis Chour les présidents des Majlis en arabe, c'est le Conseil des sages des Émirats arabes unis, le président du Conseil des sages, du Parlement des sages, qui, toute décision politique passe par lui. C'est comme en Iran, l'ayatollah, toutes les décisions politiques, il faut qu'elles passent par l'ayatollah pour qu'elles soient abrogées. Madame, ce monsieur s'assoit à côté de moi, sous la tente, et il me dit, Wallahi, Wallahi, Wallahi, la Les trois minutes que j'ai passées avec toi valent mieux que les les 15 heures de temps que j'ai passé dans l'hémicycle. Parce que là-bas, ça parle. Et ici, c'est concret. Tu parles de paix, tu parles de valeurs, tu parles de ton beau pays, le Niger, qui est l'incarnation de toutes ces valeurs, la paix, la quiétude, la sécurité. voilà. Machallah. Ce n'est pas pour vous couper la parole, mais nous allons encore en musique avec les titres Amana de Hassan Boukari et on revient juste après. ka yarda ka sa shi jikinka gurin kai ka mai alheri ashe yana maka shiri amana he amana amana gona Allah amana he amana amana gonar Allah Il est 11 heures passées de 22 minutes. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalango, une émission d'information, de divertissement que vous suivez à Niamey à travers la radio Canal 3 90 MHz. J'espère que vous avez eu euh, l'occasion de rencontrer Hassan Boukari dans les événements auxquels vous avez euh, participé aux États-Unis ou au Niger. Vous oui, un un jeune qui fait de très belles choses, qui parle euh, justement de des thématiques comme euh, la confiance, la confidence, l'amour. Euh, euh, je l'ai rencontré effectivement au Niger, carrément, où il a fait des concerts ici, mais on se connaît pour avoir le même combat. Parce que le combat que je fais avec la tante, lui, il fait ça avec la musique. La musique et la danse, oui. Alors, revenons sur vos voyages. Combien de pays avez-vous visité dans le cadre de la promotion de la culture nigériennes. Est-ce qu'on peut les compter ou... Ah, moi, c'est pas, pas évident parce que vraiment, j'ai déjà, euh, pour vous dire la vérité, j'ai fait plus de 14 ans à l'étranger en réalité. Euh, c'est une autre histoire, ça. Moi, je suis euh, cette élite des Africains qui, vont, qui ont vu le monde et qui sont revenus développer quelque chose euh, au Niger. Il y en a qui sont partis dans les transports, qui sont partis dans l'information, qui font partie dans, dans, tel ou tel domaine. Moi, je suis parti dans ce domaine qui est le mien, qui est celui de la culture, qui est celui de l'artisanat, de la création, de la créativité. Vraiment, pour vous dire la vérité, j'ai fait, en, en, gros modo, j'ai fait l'Afrique, j'ai fait tous les cinq continents avec euh, la promotion de la culture nigérienne. Avez-vous une fois décroché un trophée national ou international plus d'une fois hmm, Je commencerai vraiment par le trophée national. Le, mon meilleur trophée, c'est celui que j'ai reçu au Niger, où j'ai été nominé meilleur artisan du Niger. C'est mon meilleur trophée. À l'international, effectivement, j'ai reçu des trophées pas des moindres. Je me rappelle euh, euh, prendre un trophée en Guinée, en Guinée, Conakry, c'est pas de à n'importe qui. Eh bien, Al-Husseini est passé meilleur artiste et artisan, homme de culture en Guinée-Conakry au SICTA, Salon international du tourisme et de l'artisanat en Guinée-Conakry. Il est improbable pour un homme de culture de prendre un, trophée de la Guinée. Parce que la Guinée, c'est le seul pays au monde, la Guinée-Conakry de Secoutouré, la Guinée des Afro, des Afro, euh, qui, ont, la Guinée, c'est le seul pays africain dont les artistes, les hommes de la culture, les artistes sont partis faire des concerts à l'étranger, en Europe, en Pérou, en Amérique euh, euh, latine, et revenir, ramener de l'argent et payer les salaires de la Guinée. Madame, le trophée, le second trophée, c'est à l'international, c'est le passage euh, que j'ai fait au Mali en tant qu'ambassadeur de la culture, l'homme le plus culturel. C'est au Sénégal où un trophée m'a été tendu par Senghor, Racine Senghor, qui est le président du Conseil scientifique du Sénégal. En m'étendant un trophée, il me dit, vous êtes l'homme de culture le plus important que j'ai pu voir de ma vie. Parce que, tout simplement, je viens je débarque au Sénégal pour un, un forum international des produits africains. Madame, pendant que les autres les, autres Africains amenaient du Latéké, les Ovarais amenaient du Latéké, les autres amenaient du Ndolé, du Cameroun, les autres amenaient du Sakasaka, du Congo Brazzaville, d'autres amenaient. Moi, j'ai amené la tente et j'ai dit les premiers produits africains, c'est l'hospitalité, c'est l'amour, c'est l'unité, c'est la cohésion, c'est toutes ces valeurs-là. Le professeur était dépassé, il me dit, monsieur, vous avez le meilleur. Alors, que pensent les autorités nigériennes de la culture et du tourisme, de votre implication dans ce domaine Très pertinente question pour vous dire euh, les autorités, quand vous dites les autorités nigériennes, anciennes, présentes et, plus anciennes. Moi, je pense que là où nous sommes, là où nous sommes, je n'ai jamais été aussi, aussi, je n'ai jamais senti aussi mon importance que cette période-là dans laquelle nous sommes. J'ai été visité au temple de la culture qu'on appelle nomade artisanat et culture par la ministre de l'artisanat et de la culture, par le gouverneur de Niamey, par euh, euh, le, ministre même de, la culture qui prévoit une visite à nomade artisanat et culture. Et je pense que c'était une joie

تسلد نت كيت نت أسود ورزي قلار تار صلغادت نت ورتي لزقين تقلا غار تار صلغادت نم أرس التاريخ ودو توغزا أرسرت ودو توغزا فريك أني ورتي لار تزدانو فميد أيتي دو هارتني نار فلاس الطفنا الغادت النسن تادت النسن أو دما ست تفتادان نت سافي دير كي تف تيدت نيت تادا ماتموس تلا كو تلا تيدت تيدت انت تادا On ne comprend pas hein. ma Habiba, mais on sait que c'est super intéressant et que vous avez donné ah de bonnes pistes sur comment on peut promouvoir. J'ai juste dit à ma sœur Habiba que l'Afrique est belle par ses valeurs, l'Afrique est belle par ses traditions. Rien ne peut se faire sans un retour initial à nos valeurs et à notre culture. Toutes les solutions de ce que nous vivons aujourd'hui, qui sont les maladies sociales, toutes les solutions sont endogènes. C'est notre culture, c'est nos valeurs. Et je pense que c'est ça la solution. Hmm, c'était vraiment un honneur. C'était un honneur de vous recevoir sur cette émission. Et euh, Mongolie je le dis en aussi, <laughs> <laughs> une langue, que vous comprenez bien. Voilà. Nous vous souhaitons beaucoup de belles choses et beaucoup de bonnes aventures, de belles aventures. Et euh, vraiment, à très bientôt. <laughs> Voilà. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Il est 11h passé de 28 minutes. Notre émission Le Niger sur Kalangou se poursuit avec la rubrique hebdomadaire consacrée à l'éducation numérique. Aujourd'hui, nous vous proposons une rediffusion de notre expert de nouvelles technologies, le responsable du desk numérique du studio Kalangou. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui préoccupe de nombreux parents. À quel âge devrait-on offrir un téléphone portable à nos enfants le choix de donner un téléphone dépend de l'avantage de l'utilisation prévue que de l'âge de l'enfant lui-même. Euh, si le téléphone est principalement destiné à prendre des photos, jouer à des jeux simples et passer des appels vidéo supervisés, cela peut être euh, très différent de donner un accès euh, Internet à un enfant non surveillé. Donc, euh, pendant la période, par exemple, si l'on prend de l'école primaire d'un enfant, il est très probable que ce dernier soit constamment sous la surveillance d'un adulte. Il se trouve soit à l'école, soit à la maison en compagnie euh, d'amis et d'adultes de confiance donc euh, ou avec d'autres membres de sa famille. Il se peut que la nécessité de communiquer avec un adulte distant ne soit pas aussi cruciale à ce stade de la vie de l'enfant. Donc, mais il revient à chaque parent de prendre en considération les besoins particuliers de leurs enfants. C'est une perspective intéressante. Quand les enfants peuvent-ils avoir un téléphone avec accès Internet selon vous Selon le professeur, généralement le passage du primaire au collège est un moment clé. Donc il dit qu'à ce stade, les enfants peuvent commencer à s'impliquer dans des activités en dehors de la maison, ce qui peut nécessiter moins moyen de contacter leurs parents. Donc beaucoup reçoivent leur premier téléphone à l'entrée en sixième. Et euh, une fois euh, que les enfants ont un téléphone, comment pouvons-nous assurer leur sécurité en ligne Alors la sécurité en ligne, elle est cruciale. Donc les parents doivent euh, vraiment avoir des conversations ouvertes sur les risques numériques sans dramatiser, évidemment sans faire peur à l'enfant. Alors le chercheur dit aussi qu'il faut rassurer l'enfant euh, lui dire qu'il peut venir euh, avec ses problèmes sans crainte de réprimande. Donc il ne faut pas que l'enfant ait l'impression qu'on va le punir si on découvre quelque chose euh, ou un problème sur son téléphone. Il faut aussi établir des règles sur les applications autorisées et explorer les paramètres de confidentialité euh, qui sont des étapes très importantes. Alors, que penser de certains parents qui se demandent s'ils devraient surveiller le téléphone de leurs enfants Avant tout, le professeur privilégie vraiment la discussion. Il faut discuter de façon ouverte avec l'enfant. Une supervision parentale peut être euh, justifiée pendant l'école primaire. Cependant, lorsque votre enfant grandit, il peut ne pas vouloir que ses parents voient tous ses messages et toutes ses interactions en ligne. Sachant aussi qu'il y a la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant qui stipule clairement qu'un enfant a aussi le droit au respect de sa vie privée. Alors, euh, géocaliser son enfant, est-ce une bonne idée Alors, c'est tentant, mais cela dépend des familles. Euh, donc certains le font de façon ouverte, d'autres trouvent cela un peu effrayant. Donc la question euh, qui se pose ici est de savoir si les parents s'assurent que leur enfant est en sécurité ou s'ils veulent savoir à son insu ce qu'il fait en ligne. Donc c'est deux choses différentes il convient également de se demander si ce type de technologie n'est pas en réalité faussement rassurante. Elles permettent aux parents de savoir où se trouve leur enfant, mais pas nécessairement de savoir s'il est en sécurité ou ce qu'il fait. Merci Ousmane d'avoir partagé ton expérience avec nous. On se détend une fois de plus en musique avec le titre Mbero de Abdul Karim Ibrahim Hayman. alongside Nan Supernanga. Original I'm alongside Nan. Our disc forever nigga take on a Sunday, Sunday. Rap nigga take on a Sunday, hey. Dolly nigga take on a ganje, ganje. Dolly nigga take on a ganje. MC, play masi for the ganje. Come on, jere misi ganje tunandi, hey. Sima siva tunandi. Rap nigga take on a Sunday. Agoi masi mali futandi, dinne tu kai galala da gondi. Agoi masi mali futandi, dinne tu kai galala da Gandhi. Kuna daina balau tunandi, ai bon no gay bon gartandi, hey. Gay bon gartandi, ai guy Bongar Tandi. I go in the Kabarandi. By Pan the Saiba Karandi. I Yadanga for Fulandi. They don't take a for candy, I keep a poor man a ganji, Phone nigga bought in a bon tap bandi. Some a failure Jara Kalaganji. Phone is a cock in a bon stay dandy. Eh, some butaba did a dandy. Eh, you know, bonds are Gandhi. I man, you could song go Baba. De son vrai nom, Abdelkarim Ibrahim est connu sous le nom d'artiste de Haima, est un jeune artiste d'origine nigérienne qui est spécialisé dans le hip-hop trop connu par le public nigérien par ses chansons jouées à travers la ville et aussi à l'intérieur du pays. Cet homme est une icône, hein. il est devenu une icône en quelques années du rap, euh, du mouvement hip-hop nigérien habisi bachanda chanda kala dena marugunda sanga sanga to haidi ni dambulanga waina ni bara mai halanda lamba mc kaina ni boga sunga kana banaka dole sai gwanga pani si mani gadi pani si dini gama aima ma sola gama nu gama sola gata Cher auditeur, je sais pas si vous avez kiffé ce son comme... Euh... Mais euh, vous là voilà, comme notre chroniqueur euh, sportif, <laughs> voilà, qui est déjà dans la place à hein, viva. <laughs> Voilà, et c'est le moment pour nous de passer à notre rubrique écho des régions qui nous amène aujourd'hui euh, à Madawa, région d'Ottawa. Vous nous suivez sans doute grâce à notre radio partenaire Tambara 107 MHz. Nous profitons de cette occasion pour passer nos chaleureuses salutations à tous nos auditeurs. Nous découvrons Ibrahim, forgeron passionné qui perpétue avec dévotion un métier hérité de son père. Écoutons les reportages de Mariamade, notre envoyé spécial depuis une des forges les plus fréquentées de Madawa. Della Zilinin Artura contre le clim avec une précision presque musicale et prend une façon de faire avec habilité, un savoir-faire acquis au fil des générations de père à fils. aiki na kira kira duka yana yin kirar zobe dan kunne yuka kitso yi yuka waga ana yi ta gargajiya akwai kilen mata akwai maza hatta da yara ma akwai tunda yaro zai zo ya ce a mishi munduwa kaga sai a yi mai ga ini wani lokaci saboda ya danganta da yanayin aikin akwai zubin da kana kai guda goma akwai wanda kake guda biyar akwai wanda kake guda hudu ma ya danganta daga yanayin zoben da yanayin aikin da rana da ka tashi da shi akwai mai ci ini guda zobe guda hawa akwai wani masan an yi kwana biyu ana yi ne zoben azurfa kudin shi daban wanda ba na azurfa ba kudin shi daban wani farashi kenan kamar yanzu ke kawo ke ce kina son zuba azurfa sai da miki akwai zobe jika goma na azurfa mai kyau kuma akwai na kenzi milama kuma akwai na mil franc ya danganta ne daga yanayin zoben. mon père m'a enseigné les secrets de la forge de mon plus jeune âge c'est un héritage qui remonte loin dans notre lien familial. ina dan karami nake wanga aikin na gare shiga iyaye na ne da na taso mana ga suna yi sai ni ma na fara. Ibrahim exerce ce métier depuis plus de 10 ans. na hi goma yana aiki ina aiki da azurfa da bronze duka dai da sauran karafuna da aluminium har zinari mu je kawo yana ai mai aiki da yada kamar mu mutu ya kawo azurfan shi ya ce mushi kira ni kuma sai na mushi kuma ina sayi ni ma azurfa sai in dinga yi ina sayarwa Ibrahim vio au quotidien la daja gagner la vie à la sueur de son front Dans son expérience de vie, ce forgeron se retrouve lui-même entre le morteau et la clim matsaloli ne da kullum kamar karancin kayan aiki da gaskiya ina samun su Pendant notre visite dans la forge, un client fidèle de Ibrahim arrive. Rabé Abou de la Côte d'Ivoire vient passer la commande d'une bague en argent. To nan da zubi ne na kawo. daga Cote d'Ivoire ne na zo da na azurfa hakwa shi da na kawo aka narke aka bin zo bai gashi ne yanzu na zo na amsa insha Allah paske makerin mu na wannan muna tare shi shi yake muna ayyuka in dai bangaren dai sarka ne ko zobe haka na mu ko na ƴaƴan mu ko na matan mu in dai kira ta shi yake muna shi akwai bambanci paske ina da na Cote d'Ivoire dan ba sarka suna ba ina da na Cote d'Ivoire munduwa da sarka eh da faron da zobe na Cote d'Ivoire to ba su irin wanga cutar wanga traditional na ba sai a shi ba ta makerin su C'est un portrait signé Mariam Adé, notre envoyé spécial depuis Madawa. À présent, c'est le rendez-vous du sport, mais on ce on fait une petite pause avant. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voilà. Hasumi, Comment on se retrouve eh, Bonjour. <laughs> bonjour. n'ai <laughs> pas pris du café, c'est ça le problème. Ah oui, Hasumi. Ah, il faut qu'on trouve ton café. Merci. <laughs> Alors, passons au sport. À présent, le taekwondo nigérien se porte bien. On parle ce matin du sacre des jeunes de Gaïa lors du tournoi régional de taekwondo à Dosso. Oui, euh, Rabi, euh, bonjour. Abiba, bonjour. Euh, oui. Après le succès au sabre national par le fils du dandy. Le fils du dandy, c'est Isaka Isaka, le grand lutteur. Et c'est au tour des jeunes taekwondoïstes de Gaïa de ramener cinq médailles et une coupe au département. Les jeunes du club euh, show de Gaïa ont brillé lors de la troisième édition de la Coupe du président régional du Dosso. Ils sont encadrés par un maître Abdoulaye Fatayi Lawali. La compétition a vu la participation des clubs de Loso, de Niami et de Maradi. Les jeunes de Gaïa ont remporté quatre médailles d'or, une médaille de bronze ainsi qu'un trophée. Ainsi que Gaïa a occupé la deuxième place du tournoi derrière Niami. Alors Gourouza, la case s'avance à grands pas, n'est-ce pas Mais oui, Abiba. Oh, c'est la fête la ah grande messe va se dérouler en Côte d'Ivoire dans quelques jours, le 13 janvier jusqu'au 11 février 2024. C'est la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations que la Côte d'Ivoire va abriter après celle organisée en 1984. 24 équipes sont en lice avec euh, l'ambition de succéder au Sénégal, les Lions du Teranga, champions en titre. Deux ans après, son sacre devant l'Égypte. L'ouverture de cette Coupe d'Afrique aura lieu le samedi 13 à Abidjan et une seule rencontre aura lieu ce jour-là. Côte d'Ivoire, pays organisateur, sera face à la Guinée-Bissau. Ça sera pour le samedi. Le lendemain, les Super Eagles du Nigeria seront face à la Guinée équatoriale à Abidjan. Et je veux noter quelque part la finale de cette Coupe d'Afrique aura lieu le 11 février 2024 à Abidjan. Merci Grouza, une canne qui s'annonce riche en ah, couleurs hein, ah, pour les amateurs du foot. Ah, nous, on n'a pas raté l'arrivée euh, des équipes, des différentes équipes à Abidjan, sur les réseaux sociaux. Euh, on suit. Euh, on va suivre. <laughs> Ah oui. <laughs> voilà, Asumi, on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Le Niger sous c'est aussi le portrait des hommes et des femmes les portraits de ces jeudi s'intéressent à Ibrahim Adam Zidia alias Mistabari, un jeune rappeur d'Agadez. Ce portrait est réalisé par notre reporter Tarnan Foudé Ahmed, met en lumière la détermination du jeune rappeur ainsi que ses projets d'avenir. Voilà. Ah. Révélation du rap au cœur de la capitale de l'Aïr, Ibrahim Adam Zidiane en 1996 à Agadez s'annonce comme l'une des superstars du rap moderne nigérien. Avec son accoutrement traditionnel, Mr. Barré de son nom d'artiste met l'ambiance et bouge grand et enfant dans une cité où la guitare Touareg domine. Ici, il nous explique les raisons que l'on poussé à faire du rap, contrairement à ses deux grands frères Oumar et Ikalizidia connus dans un autre style de la musique. Depuis mon enfance, depuis tout petit, mon seul objectif c'est d'être rappeur, c'est de, faire des concerts, motiver les gens, faire danser les gens, tout ça. Mais je commençais ma carrière en 2016-2017. C'est vrai que j'aime beaucoup la guitare, j'aime beaucoup ma culture. Déjà, on est, on est au nombre de trois artistes, donc moi j'ai décidé de, faire le rap. Le rap ne domine pas à Agadez, indique les jeunes artistes. D'ailleurs, c'est pourquoi il est venu avec un nouveau style pour révolutionner ce qu'il aimait depuis son enfance. Petit à petit, il dispose aujourd'hui de deux albums et un studio où il s'enregistre lui-même et enregistre d'autres musiciens de la ville. La base, c'est le rap mais je me suis pas arrêté là-bas. Au début, je commençais, c'est vrai, avec les rap. Ma première mixtape, c'est 100% rap. Mais après, la deuxième, je mélangeais tout. La trap le grag del sol, la bagadez, les rap, ça domine pas. Donc on est venu motiver les gens d'une autre manière. J'ai un peu modernisé mon rap, je l'ai modifié, j'ai apporté quelque chose que les gens ne savaient pas avant. J'ai mis des touches, de la guitare dedans. Au début, j'ai pas enregistré, mais finalement là, j'ai un studio à la maison. Je m'enregistre moi-même et j'ai deux albums. Premier album s'appelle euh, Strange MC. Deuxième euh, Apocalypto. Pour l'instant, Barry n'a pas dépassé Agadez et Niamey dans le cadre de sa musique. Cependant, il vise loin, produire une mixtape en langue locale pour faire connaître sa tradition et sa culture hors des frontières nationales. Je n'ai pas dépassé Agadez et Niamey. Niamey même, en fait, c'est la première fois en tant qu'artiste. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup de projets. Déjà, je suis en train de préparer une troisième mixtape. Ça, c'est la langue Hausa que c'est de faire évoluer ma tradition, ma culture à l'étranger. Troisième, au niveau régional, circuit Waka édition 2023, Mr. Baré était présent à la grande finale du tournoi national circuit Waka à Niamey. C'était un portrait de Tarnan Foda Ahmed du lourd pour boucler notre playlist avec les titres Wiza des Grand Liman c'est des années de confiance et de trahison. Des années qu'à des mensonges tous nous assistons. Des années de tournements et crimes nous subissons. Des années de trop fort nous agissons. Avec la pauvreté qui tient le pays en otage. La famille qui fait des siennes ne fait que des ravages. Les maladies, le manque de le manque de moyens. Une autre forme d'envers Le coup de vie devient de plus en plus cher, ça Le dégoût de vie, au quotidien se brise. L'angoisse, les nerfs à des états de crise. Hommes, femmes, enfants, dans agonise. Où est le président Où est mon président C'est cauchemar que nous vivons en est le courant Pourtant, on a tous dû prêter serment. Pour le pays, le peuple, mais aucun changement. C'est le même le même cauchemar. Pharaon, amis et connaissances pour un rien. Dans le ministère, ça pue pas des corrompus. Ils pillent, ils détournent, ils veulent qu'on évolue. Et Étudier l'élève, et tout en s'entendant. en crève. sans de la galère, tu sais, il Beaucoup ont arrêté de s'aventurer dans des rêves. Ou ont pris conscience que fermer les yeux, cela la Oui. Il Ils portent même des hameaux les plus régulés Propagande électorale, baptême de billets. Pour les veiller, distribuer aux jeunes les En ce moment, le peuple est considéré. En ce moment, le peuple, dans leur cœur est. Le ciel, la terre, la lune, le soleil, ça nous promet. Après l'investiture, paf, nous voilà rattrapés. Ignorés, violés, taxés, maltraités. Oubliés, marginalisés et abandonnés. Emprisonné sera celui qui osera parler des journalistes. Et le prix, tu sais, de nous informer. 5 années de boycott 5 minutes et 5 années pour eux toutes la carotte Leur fonds politique complet, salaire diminué Avec tout ça pour qu'on nous paye, il nous faudra gréver Sur le prêt éducatif et la situation Nos enseignants, tu sais, manquent de vocation À cela t'ajoutes leurs innombrables grèves Le taux d'échec scolaire chez nous est hallucinant À part pour nos gouvernants, c'est pas ça souci Rien à foutre qu'on enseigne on étudie. Leurs enfants sont dans les meilleures universités, les plus pays Mal de notre camp, je commande. Oui. L'égoïsme de nos leaders politiques, l'égoïsme de nos chefs d'État d'Afrique. Tu les peuples, les pays, le continent d'Afrique. Faut ça change, on est fatigué de tous ces geeks La rébellion, la corruption, combien de coups d'État, Détournement, les fraudes, combien d'assassinats, d'emprisonnement juste pour avoir manifesté son opinion, combien aujourd'hui sont dégoûtés. Pour les riches au quotidien chez nous, ils s'enrichissent. Les pauvres au quotidien, tu sais, ils s'appauvrissent. Chers auditeurs, c'est le titre Wiza que vous écoutez en ce moment du grand Kamikaze Limon, un ami du studio Kalangu qui reste dans le game avec son nouvel album, mais aussi en accompagnant les jeunes rappeurs avec son concept qu'il a créé il y a un an de cela, Hip Hop Attitude. Big up au grand Kamikaze, un bonjour, voilà, une belle pensée pour lui à ce matin. Wiza de Kaza en enchaînant avec la chronique Loti qui s'intéresse aujourd'hui à la dangerosité de raconter des mensonges sur quelqu'un. En effet, propager des ragots et fausses rumeurs sur autrui est une pratique néfaste. Un sujet que le fan du studio Kalango aborde avec série dans les lotus d'aujourd'hui. Elles explorent les impacts sociaux, émotionnels de ces comportements dans une discussion entre Rakia Arimi et Amila Boubacar. Loti, loti, loti. Simba Murayan. Hey, hey, Alia, gungum. Hey, ifa no gogteo. Ifa tsai gungum. Son dare hina ne di bismot ciradi naga. Ai siba am di ir. To kalamate, ifo si. Ni kyorono. Ayya, ai bayan woga zakir na kurana. irsin da kyar labari a ayo kaman ta tai cura ni man ma haikati hanna sinu ifo na ta se hmm ine kan ingino na hannu safar a sai no hannu sin da ba ni mi mhm mai no ki ni sai yadi ku ha borai no gode gi dirgici yadi to ki ai ifo ma ga sai no rahina ga wadin tasi hmm zam sai rahina wo no ko ni zunomi a gwanda a rusu hannu yanda a rusu no koniya to rahina bin da ingino ya sa sasi a sai no akwai gasafar mutum. rahina mono ya talkai a ga can sedeno akwai gasafa irkoi beri na dira ni bun bosa nowa ni ba bai matukan a abon wogo gada haifa ma hakoi dinbo ni bai kan arsilam taraira haubor gayan zunubu beri no bun boda ba ni ga haya bai ni di moni moni si ba san no bon bai ayya bin da haikan ai ma man ti ba san nono wadi ni ine kan duma iz doro no na di nadira ma hagwai din bom kul na gine ni sai mafatta yi wura ga kaga da sanni sanni foyen hangan hmm ya dinnu amma da kimno don ni sanni fallan kaki yayi si hmm. nadira da kimino ayo gane ni sai kan andunya wo sara ni mu wangi boro a wani harose ni di kan harino kan sibore to ni di masabun da haikan goni sai amma beri ni ga barfo wani masin moka da kimino nadia wadi ma ga se ni gine ni wana mu beri ni ga ya dinu ni gicim hmm, hmm. son dai ne ni bumbo ni goken sai ga binde hai fai ga mutuno ni te go wane mi lai ga to ni di wala matikan ni ni mondo ma dan kyarra ya kinu no rahina bumbo da ai bai dai dama sanu bina ga sara mm, ni gicim to bisa irmir fandadi amma ai gogin hanga kendi hino dindira hina masine nig tugutugu nig koyga digasanay woki aman hay kulte irse yadino yadino ainiyay fahamay cora to irma koy Lotzi, Lotzi, Lotzi, Lotzi, Lotzi, Lotzi, Lotzi, Lotzi, Merci les filles pour ce loti très instructif. À chers auditeurs, auditrices, dans ce studio, nous sommes en compagnie de Ali Niali pour la culture linguistique. Bonjour Niali. Bonjour Rabi. Bonjour Niali. Les mots du jour et les mots de la semaine. Wish. Wish exactement. En anglais et en français, on dira le vœu ou le souhait. En ce mois de janvier, chers auditeurs et auditrices, nous vous souhaitons une très bonne année 2024 donc vous l'avez sûrement compris, comme on l'avait annoncé, le mot du jour est le vœu. Le vœu ou le souhait est une aspiration envers quelque chose qu'on n'en a pas. En tout début d'année, entre amis, on se souhaite les vœux de meilleur an. Tout comme on peut aussi également souhaiter une bonne prière de vendredi à quelqu'un qui s'apprête pour aller à la prière. Et la réponse, quand on dit bonne prière, on dira merci et parement à vous en fulfulde comme euh, d'habitude ko indira veu nder francire kam woni barkitade neɗɗo e ñaganade mum julɗe himɓe no barkitodira e hude duni fa hande ñalade de en dan iɗum ñagunodira na bien iɗum du'unodira moƴƴere hitane heere de en dan dow lawolgol en dan ni hettinantoɓe sigilaji studio kala ngu fuu miɗen barkito on e hitane heere de endal allah wan hitane de endal latuno en hitane te jam e moƴƴerede wala an fulfulde Merci bien, Niali. Merci. Alors, passez une bonne journée. Bonne journée à toi, cher auditeur. Si vous avez d'autres mots et expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, un Hausa, un Zarma, un Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Justement, écoutons les messages vocaux de quelques auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Ni suna na Siraji Malam Sani mai kasa ɗalibin jami'a mazaunin birnin Kwanni. Ina ma Studio Kalangu barka da sabuwar shekara kuma ina murna da Allah ya gwada mana sabuwar shekara ta 2024. Ubangiji Allah sa sama shekara mai alheri gare mu kuma alherin da cikin ta Allah gaba mu shi kuma na ma Studio Kalangu barka Allah ƙara musu fahimta game da aikin da suke kuma Allah ƙara musu kuzari da sabon program na cikin sabuwar shekara ga saboda mu masu waren su ko da yaushe muna sa Studio Kalangu. hizam mun kasance mun ji wani sabon shiri ne saboda ci gaban mu masu waren Studio Kalangu kuma muna ƙara goyon ba da studio Kalangu a ko da yaushe game da shirye-shiryen da suke yi su tu shiri na matasa fuskan rayuwar yau da gobe muna kawo jiki Allah alheri da a cikin wannan shekara ya ba mu gaba ɗaya da mu da al'umma masu wani studio Kalangu da kuma al'umma kasar Nijar gaba ɗaya muna biya studio Kalangu babban birnin mu na Yamai kuma muke mika sahihiya godiyar mu da fatan kuma wannan sabon shekara da muka samu kanmu cikin ta Allah ta'ala ya zubo albarka a cikin wannan ƙasa ta mu kuma nan sojoji da suka kawo mana transition na neman yancin ci gaban ƙasa to kuma muna musu addu'a to Allah ta'ala ya kama musu kuma Allah ta'ala ya kwato mana yancin mu kuma Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan ƙasa ta mu ya samu yan Nijar albarka domin mi irin ba da haɗin kan da an kai na yan ƙasa na ganganin cewa mun zan tsintsiya maɗaurin kaɗai mun zan uwa ɗaya uba ɗaya saƙon da a gare mu da studio Kalangu muna dubun gaisuwa da fatan alheri gare su kuma muna musu jinjina magana ta musamman dangane da suna didiyar al'umma kuma suna didiyar masu sauraron su duk farfajin faɗin Nijar gaba ɗaya. To da haka muna taya su barka da sallah barka da shiga sabon shekara da Milton Takat kuma muna ƙara musu juriya da hankuri dangane da hulɗayya su da al'umma. To saboda in kuna da hulɗayya da al'umma kana jin wani shi na ma magana ƙwarai wani shi na sako ma magana da bata dace ba. To sai an sami ka mai hankuri da abin da ya kama da wannan. Da haka muna musu fata alheri kuma Allah ƙara ɗauka da shi wannan gidan rediyo nasu. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Ici prend fin cette émission de jeudi 11 janvier 2024. Les rendez-vous est pris demain pour un nouveau numéro avec un autre duo. Vous étiez en compagnie de Rabia Mekano et moi-même Habiba Ahmed. La technique était assurée par euh, Bunga, la star et l'édition <laughs> par Adama Dawaki. Vous pouvez réécouter sur euh, vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.studiokalangu.org. Euh, Passez une excellente journée, mais on vous laisse en bonne compagnie avec So Kososo du groupe Dangana de Zender. Top, c'est parti! Il est l'heure. On tourne la page pour 2024. 2024. Bonne année à toutes et à tous. Allah fitna rodna watay. Kukayesi. Barkaji modon e, e wonta golitane. Jama'a barkamu da sabuwar shekara. Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024.